الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما اخترت فيه من الآيات وذكرنا بما درت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو أو النسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو ضيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير متغم أو إدخال بغير بيان واكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الحال وارزقنا فضل من قرأهم وأدين حقهم على أضاب قلب ولسان وهب لنا بالخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تخف لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا منا من غفلة والكثلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يا الباعث وأعطي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميداننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحضاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا, وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشاء ومصاحبنا في الوحدة ومثباحنا في الظلمة ودليلنا في الخيرات ومنقذنا في الفتنة وعظمنا به من الضيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم أقسم بسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واغفر عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك دارنا وتقربك ظهرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وصائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه السلام وإلى رواية أصحابه رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين اللهم بلغ ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العظيم هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى عمتك صحنا مريت وإلى عبدك إبراهيم جوب عبدك الشيخ فال وإلى عبدك آل لجان وإلى عبدك أحمد جن عبدك عبد الله بي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين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 ça va. ça va bien. dal ci jàmm waay dal leen ci kon euh, ñu ngi fii ci visite bi ñi nga xam ne moom la ñuy def fii ci li nga xam ne moom mooy euh, lycée bu Géoul euh, ñu fekk fi ki nga xam ne moom mooy monsieur Mbodj. tey mu nekk fii ci li nga xam ne tey euh, mooy lycée bu Géoul tey nga gis sa euh, équipe bi nga xam ne élèves yi nga xam ne ñoo jàngi woon jànge fii door fi jàngee dem wuti ba am li ñu am di liggéey siwaat dellu njukkal li nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen nekkoon fii tey tey ñëw seet si leen fii tey nga ngay wax tey visite bi nga xam ne ñoom lañu def fii tey ci li nga xam ne mooy lycée bu Géoul ah xanaa di ko rafetlu rek ndax euh, ngumba Géoul moom ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñi ngay gis ni tey jii dañoo nekkoon ci beneen wàll ci ay jamono doon feneen bi ñu ñëwee ba a servir suñu dëkk moo tax ñu ñëw fii ñu it doon servir euh, euh, lii ngay xam ni mooy euh, nguma ngeewul jàppale waale xale yi en tant que parent d'élève léegi ma ne naa ñëw jàpp ci bi ma ci jàppee nag bu ma gisee nag léegi nag ñoo xam ne ay tout tànk lañu ñoom it ba war cee jàpp ñoom it damaa defe ne defaluñ ko kenn man mii lañ ko defal ñu ngi janoo ki nga xam ne moom mooy Laye Diagne tey euh, ñu ñëwoon euh, élèves yi ñëwoon tey def visite ci li nga xam ne mooy euh, lycée bu Géoul tey nga bokk ci ñi nga xam ne élèves yi facilité na la sargal fii nga xam ne tey mooy Géoul tey ñu jug def ay jéego ñëw fekk si la fii nga nekk tey di la fi def visite tey yan kàddu nga yëkkati ci doxalin li nga xam ne tey doxalin ni sa diggante ak ñoom waaw booy day li ma mënti wax rek mooy am nañ kóllëre te niñ ko waxee kóllëre lu yàlla di laaj ëllëg la quoi kon ñoom vraiment ñu ngi koy sàmm ko moo nañ ne dem rek daan ni ah ñi ko jàng ñu boole woon ñoom rek dañuy jàng ñu leen di fay bon pare nañ ci mais ñoom loolu doxale wuñ noonu dañuy fàttaliku tey dégg sax dañuy dem ba dañuy sarga sax même le gardien ki nekkoon lycéen ba yi yii muy Bunaw loolu moom ma gën a kontaan loo nag dañ demee boole fàttiwuñ kenn ko vraiment lii lu rafet la maanaam exemple la pour yeneen élèves itam ñu jël si exemple def ko seen eh, seen enseignant primaire yi surtout. ñooñu nga xam ni da nga si nekk koo xam ne def naa ak yow presque ñetti at ñeenti at wala juróomi at ñooñu tamit mérité nañ lu mel ni daal ñu xam ne daal ñoom ñëpp ñu copier si ñoom incha allah. jërëjëf laay jaajëf lu baax merci beaucoup. là euh, ce sont vos vos aînés qui sont venus visiter le lycée de Guéoul donc ils étaient au CEM en de de 2001 à 2008 alors ils ont fait une très belle initiative en venant pour euh, pour pour pour. pour euh, pour faire, pour faire un, sargal, un à l'endroit de leurs anciens professeurs et de l'administration. Donc je pense que vous avez vu euh, l'information, euh, j'avais mis, mis, ça là-bas au niveau du tableau d'affichage. Et c'est la raison pour laquelle ils en profitent pour vous inviter. Puisque comme on le dit, généralement, je ne cesse jamais de le dire quand on fait les visites de classe, les élèves de S sont réputés sérieux, travailleurs. Donc vous voyez, ce n'est qu'en seconde S qu'on retrouve une classe bien décorée. Regardez avec ces innombrables photos c'est l'initiative des élèves de S. Hmm. Donc vous devez suivre ses pas. Donc vous voyez, ils se sont souvenus, se sont souvenus de leurs anciens professeurs, de leurs maîtres, etc., pour venir leur rendre hommage. Merci. Pour venir leur rendre hommage. C'est l'objet de cette visite d'aujourd'hui. Donc ça ne se limite pas à, la matinée. Donc ils, nous invitent à prendre le déjeuner avec eux là-bas. On a déjà pris le petit déjeuner, un petit déjeuner royal. Hmm. Les bas et les ndaoula seront très heureux, mais cet après-midi, il nous invite là-bas au terrain de basket. Hmm? Je pense que c'est ce qui va vraiment clôturer euh, la journée d'aujourd'hui. On vous invite, on invite aussi vos professeurs. N'est-ce pas Et vous aussi, marchez sur ces pas. Hein? Vous avez vu, ce n'est pas pour rien que je vous ai dit. Beaucoup, vraiment, félicitations par rapport euh, aux anciens qui ont décidé quand même de venir et de revoir les anciens professeurs et de revoir là où ils étaient hier, 2001, et aujourd'hui, ça fait combien Presque 22 ans. C'est beaucoup. Alors souvent, je leur dis que demain, vous êtes l'avenir de demain. Regardez ces dames et messieurs qui sont là. Actuellement, c'est des pères et des mères de famille. Dans quelques années, vous, allez vous revenir ici, vous aussi, pour dire, à ah là, monsieur Kébé en tant que proviseur ou bien, je ne sais pas, retraité, on vous félicite, etc. Donc, encourager les élèves partout ici à Géoul et dans tout le Sénégal, parce que vous êtes notre avenir. Nous savons que demain sera construit grâce à vous. Moi, quand j'étais là en 2005, 2006, voilà mon doigt, on a construit le lycée vers 2008, euh, 2009, je crois. Il n'y avait rien ici. Alors je me suis dit que la première chose à faire, c'est d'embellir l'école rendre, rendre le lycée vraiment vert. Au début, il y en a qui ne croyaient pas que ça, ça, peut se passer, ça peut se faire. J'ai cru à ça. Parce que si on, est sincère et on croit à quelque chose, on réussit. Ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai toujours dit. Si on croit à quelque chose et qu'on veut réussir, on réussit. Alors j'ai commencé petit à petit. Souvent, les nouveaux, quand ils viennent, je leur dis, eh, qu'est-ce que vous a impressionné ici Ils me disent, ah, c'est la verdure. Je leur demande, mais vous pensez que c'est qui a mis Ils me disent, non, c'est vous, monsieur. Je lui dis, non, c'est pas moi. Moi, je donne que des ordres. C'est les élèves qui ont fait tout ça. Certainement, il y en a qui font partie de ceux-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les élèves qui arrosent, qui nettoient, qui font ceci ou cela. Moi, je ne donne que des ordres ou même des directives. C'est tout. Vraiment, nous sommes contents de, vos, de votre initiative, de venir nous rendre visite et que de donner beaucoup plus de courage aussi aux, aux nouveaux pour qu'ils deviennent des anciens de <laughs> demain. Donc voilà vraiment ce que je... xam ne dégg na lool rek xam na ne lu rafet la fi ñu nekk nag biir marché euh, ci la ñu nekk nii di waaj a jëm fi nga xam ne mooy sem bu géewul fa la jëm di wax nak ni ñii ñoom ñoo jàngee fi nga xam ne mooy sem bu géewul euh, jiitu fa nag pas quelque chose de très spécial hein. si on veut dire que le SEM aujourd'hui est ravi de recevoir, ces anciens pensionnaires qui ont posé un acte vraiment qui restera à jamais gravé dans les mémoires nous, osons penser quand même que ceci n'est qu'une étape et que dans l'avenir, de nouveaux chantiers seront, seront bâtis et que ceci soit, puisse rester pérenne. On a aujourd'hui eu des sentiments vraiment indescriptibles, des gens qu'on avait perdus de vue depuis plus de 20 ans, des gens à qui on ne parlait qu'au téléphone ou bien sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble et ça, nous a donné un un air vous baisse quoi parce que ce qui est important c'est que alors nous ñëpp biñ tayee amul kenn ku mhm. c'est ça qui est important dans la vie quoi que un jour ou l'autre on, va se retrouver ak nous-mêmes, on va se retrouver soit par nous-mêmes wala suñuy voilà wala suñuy neveu et cetera donc ce qui est important c'est que quand on est ensemble vraiment on est ensemble que nous avons rek des dox comme ça bu ngeen ci mbedd kenn du encore une fois nous nous félicitons vraiment cette cette euh, euh, organisation là et nous souhaitons quand même que ça aille de l'avant et que non seulement aujourd'hui on a une euh, organisation entre les étudiants de 2001 à 2000 2008 je pense hein. nous avons pensé que ça pourra se terminer par une amicale pourquoi pas de tous les, de, tous les, de, tous les anciens pensionnaires du SEM de Guéou. Moi, je suis ému. Hein. Quand je suis venu, bon, moi, j'ai servi ici quelques années quand même, il faut le dire. Mais je suis vraiment ému. Le même bureau, les mêmes choses, les, petits, les arbres là. Hein. Ces gens-là que je vois là, qui étaient de petits enfants devant nous, aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, qui sont, on est vraiment comblés, vraiment. Moi, je suis vraiment je pense que ce sentiment, ce que je dis là, c'est partagé par, nous tous. Donc, euh, parce que tout le monde peut s'identifier à ce que je viens de dire. Encore une fois, nous félicitons et nous souhaitons une longue, une longue vie couronnée de succès. On est vraiment ravis de voir aujourd'hui ceux que nous avions formés faire ce que nous, nous devions faire. Parce que c'est eux finalement qui l'ont fait. Donc ça, c'est un motif de satisfaction. Encore une fois, M. Sall, le maître des lieux. Je vous rends la parole. Avec la pénuvision d'Alpha. Alpha. Alpha. le micro bien. Hein. Donc, euh, merci doyen, hein, proviseur censeur. Avec euh, tous ces mots, professeur d'anglais aussi, avec tous ces mots qui vont droit au cœur. Donc, on vous souhaite la bienvenue à votre ex-SEM, parce que vous êtes euh, pensionnaire, comme le doyen a dit. Donc soyez les bienvenus au CM Cher Mohamed Fadel Aïdara. Le CM s'appelle comme ça maintenant. CM Cher Mohamed Fadel Aïdara. Et bientôt, on va organiser euh, le parrainage. Et d'ailleurs, c'est Awambeng qui avait voulu coûte que coûte que cette, euh, ce sargal-là s'identifie aux journées de parrainage. Mais malheureusement, on attend toujours euh, Chérif Beu, parce que c'est lui le maître des, lieux, pour qu'on puisse... Euh, euh, euh, savoir comment on va l'organiser. Donc, euh, le, seul regret, c'est que aujourd'hui les cours s'arrêtent à midi. L'administration et les élèves sont déjà partis. Mais on aimerait quand même trouver les élèves, l'administration. Comme c'est le jour de fête, ils sont partis. Donc voilà, vous avez trouvé un SEM vide. Mais ce n'est que partie remise. Donc, un grand merci. Euh, à cette visite-là qui nous va droit au cœur. Le doyen a tout dit. Vraiment, que de souvenirs et de, et de retrouvailles après de longues années d'absence. Vraiment, c'est un grand plaisir. Donc, euh, on vous remercie beaucoup de cette initiative et on vous souhaite en tout cas une bonne continuation. moom la élèves yi nga xam ne ñoom ñoo débuté fii ci sem bu géewul taxaw fi taxaw am solo delloo njukkal li nga xam ne tey jii mooy sem bi nga xam ne fii la ñuy jànge xam tey muy lii la ñu xaar ci ndaw lii la ñu xaar ci ki nga xam ne tey euh, ndaw la ci dëkkam ndaw la ci goxam muy bis bu rafet boo xam ne tey def nañ ko muy loo xam ne tey euh, ngumba gépp am nañ ci mbégte ngumba gépp am nañ ci fierté ci delloo njukkal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon fii di leen tàggat ngeen gis leen noonu muy délégation bu am solo boo xam ne gis ngeen leen leen noonu ànd ak jigéen ñi ko jiite di nga xam ne moom mooy euh, Babacar Ba ngeen gis leen noonu taxawaay bu am solo ba nga xam ne taxaw nañ ko ngeen gis noonu ngeen gis leen ñu ngi noonu di taxaw fii ci li nga xam ne yàgg nañ fee nekk fii nga xam ne fii la ñuy jànge fii la ñu dale ba fii la ñuy jànge tàggat ba nga xam ne tey li ñu doon tey fii lañ ko xamee tey muy bis bu am solo ci ñoom ñu am fierté tamit nekk benn dajaloo ngeen gis leen noonu tey ci délégation bu am solo bi nga xam ne tey def na équipe Mame Diarra gi. waaw Mame Diarra gi. Ah, waaw équipe ah, waaw. yaa ngi nii xale yi macha allah ceeb la ñuy def. Mame Diarra daal koo woo ci xel rek ñu ci la. Ah. ceeb rek la ñuy def. asalaamaaleykum mbokki Géoul asalaamaaleykum mbokki Sénégal tey jii di samedi le 23 décembre 2023 euh, tey di bis bu am solo boo xam ne moom la élèves yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon fee ci Semba tàmbalee fa tey ñëw fii tey ci Géoul di sargal ñi nga xam ne tey ñoom ñoo leen jàppale ci seen wàllu njàngale di sargal tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon di kilifa yoo xam ne tamit ñoo nekk ci dëkk bi tey ñu ñëw fii ci li nga xam ne mooy terrain basket eh, bu Géoul di fi def sargal bi ngeen ànd ko Géoul Art TV lépp loo xam ne xew na fii rek Gueoulart TV dana leen ko wan ci li nga xam ne mooy bis am solo bi nga xam ne moom la ñuy def fii ci Gueoul ngeen gis délégation yaa ngi noonu dugg si kii dugg si nii monsieur le maire mooy dugg si nii monsieur le maire Abdourahmane Diop moom mooy dugg si noonu di parrain bi nga xam ne mooy parrain bis bi di bis bu am solo boo xam ne gis ngeen ko nii ak délégation bi nga xam ne moom la àndal ànd ki nga xam ne mooy euh, Daouda Daouda euh, ànd moom ki nga xam ne moom moo nekk ci Modou Gueye neen ànd ki nga xam ne coordinateur euh, bu neen di Jini Mbaye ànd ak tamit sunu xarit sunu waay nous passerons, mesdames et messieurs, au discours de la marraine. La marraine ici présente prendra donc la parole. Après la marraine, ce sera bien sûr le parrain, le parrain et maire Abdurrahman Diop. Et après cela, mesdames et messieurs, un autre professeur prendra la parole pour après laisser la place à la remise des attestations et évidemment des cadeaux. Et on terminera avec euh, un discours de clôture d'un des surveillants ici présents. Voilà dit, mesdames et messieurs, le programme d'aujourd'hui. Mais, avant d'en arriver là, mesdames et messieurs, implorons par des prières la clémence, l'accompagnement, mesdames et messieurs, la protection de notre Seigneur Allah wa Ikram. Et évidemment, pour cela, on me dit de remettre le micro à Oustas Ngiran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di ñaan sunu borom bi nga xam ni moom la ñu tàmbali nañ ko tàmbalee ci bismillah rahmaani rahim akkalee ko ci alhamdulilah rabbil alamin ko defee ñun ñëpp di bokk jàng faatiha nabi Pour la première allocution. Important de rappeler, mesdames et messieurs, aux uns et aux autres, cet acte tellement noble de la promotion, bien sûr, Camus 2001-2008. Eux, ils ont fait un acte au moment où d'autres parlaient, au moment où d'autres écrivaient, Cela qui écrivait en faisait partie, bien sûr, mesdames et messieurs, Albert Camus. Albert Camus, bien sûr, le 19 novembre 1857, 1957 avait écrit une lettre à son enseignant. Il disait dedans, « Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu de bruit qui m'a entouré toutes ces années-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai cherché ni sollicité, me proposer du travail. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère et mon père a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous remercie et vous embrasse de toutes mes forces. Ça, c'est Albert Camus qui le dit. Mais ils sont, ils sont tombés sous le charme de Géoul, sous le charme de leur professeur. Et ailleurs, on a vu des élèves se battre avec leurs professeurs. Ailleurs, on a vu des élèves qui dépassent leurs professeurs, même pas un bonjour. Mais ailleurs, on a vu, on a vu, on a vu, mais ici, on verra une chose qu'on ne verra nulle part encore, et c'est la promo, bien sûr, Camus 2001. 2008, bien sûr, tous ces élèves, tous ces jeunes qui sont passés au CIM de Géboul et évidemment au lycée, bien sûr, de Géboul. Très bien organisé, très bien structuré. Ils ont un bureau, ils ont une coordinatrice, ils ont celui-là qui, gère les finances, les relations extérieures, etc. Peut-être ultérieurement, je vous présenterai donc le bureau. Mais pour l'instant, pour l'instant, une personne va parler au nom de cette promo. Mesdames et messieurs, cette personne, elle est ingénieure, génie industriel et spécialiste en QHE, avec plus de 7 ans d'expérience agroalimentaire, pétrole, ferroviaire, construction mécanique, énergie, services, commerce à travailler en France pour piloter des missions transverses à forte valeur ajoutée. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, que oui, euh, en 2007-2008, elle a obtenu son baccalauréat S2 ici au lycée avec la mention bien. Mesdames et messieurs, cette dame, elle est la fondatrice de AO Food, marque de jus fruits 100% naturel, deux fois meilleur entrepreneur en 2022. Awa, major au baccalauréat scientifique, prix d'excellence en mathématiques, deux fois meilleure fille en sciences physiques, ça s'applaudit les gars. Mais Awa, Awa, mesdames et messieurs, des certificats en entrepreneuriat et économie verte, Dakar Rêve, Agripreneur, Yesel Agri-Up Dakar, qualité des aliments Axia France, gestion de projet central Lille en France, communication chinoise. Formation, oui, ingénieur, génie industriel spécialisé en QSE. Mesdames et messieurs, cycle ingénieur, formation donc humaine et à l'encadrement, sciences de l'ingénierie, de l'ingénieur, méthodologie d'ingénieur, prépa génie mécanique, science automatique technologie, organisation industrielle et mesdames et messieurs, oui, à leur expérience professionnelle, c'est comme je l'ai dit, la fondatrice et la manager de Awo Biofood depuis avril 2019. Directrice de qualité, mesdames et messieurs, manager des équipes qualité, tellement, tellement, tellement bien sûr d'arc à son... Tellement, bien sûr, de corde à son arc. Salam da ngeen may baal rek ma tàmbali ci kàllaama Kocc pour que ñëpp mën a xam li may wax man tam ma mën a comprendre euh, fi ngeen bëgg a jëm ak lu tax yenn yi donc dañ ñëw tey euh, di euh, def benn sargal sargal boo xamante ni ñi ngi koo jëmalee ci suñuy jàngalekat yi. donc li may jëkk def mooy nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziar bu wér di rafat lu taxawaay bi di ñaanal ku ci nekk aussi jàmm ak salaam. di Rafat ñi nga xam ne ñoo ñu wuyu si tey di ko njëkkee ci monsieur le maire xam ne tey moo sunu parrain di Abdourahmane Diop ak sunu marraine Mame Oli Fall xam ne mooy sunu mas maas la sa waaye tey danga koo yaayoo <laughs> mi ngi <laughs> donc di remercier aussi monsieur le maire yi fi nekk maire de Bandeigne ak maire euh, Ngourane yi ñoom ñëpp ànd ak euh, ki nga xamante ne mooy monsieur le maire Abdourahmane donc rafet euh, di remercier aussi bu baax sunu kilifa ñi nga xamante ne ñoo jiital ci yi.

yoo xamante ni dañ dugg euh, l'école nasaraan ginnaaw bi ñu jógee daara bi ñu defee loolu seen bi ñu amee raaya bu njëkk di entrée en ñu dem CM bi nga xamante ni mooy CM de Géoul nekkoon fa benn génération bi ñu fa demee ci atum 2008 di atum ñaari junni ak juróom-ñett ñu am bag lu ci ëpp am bac ak ay record yoo xamante ni macha allah di leen féliciter di remercier ñëpp. bi ñu jógee foofu nag am ñoo xam ñu ngi dem bitim réew ñi ñëw biir réew ñu toog ba ci ay jëmm jamono ñu retrouver wu seen benn group bi euh, biñ ko tàmbalee nag waxtaan rek la woon kafante ree parce que ñun ñun dëkkee woon bi nekkee école jàmm ak salaam la woon donc kafe ree nga ñëw sa kii di la joxtaan kii di la dë <laughs> kii di la kii di wax donc sentiruñu sa pression jàng mi tellement ambiance bi dafa neexoon suñu classe yi ñu xamante miinante jàmm ma sa xew donc bi ñu retrouvé woo encore def benn group ñu mat euh, lim bu ci juróom benn fukk ak lu teg léegi bi ko defee euh, ñu ne waa ñun nag il faut ñu taxaw nag am loo xam ne ñu koy tàmbali teg ko jëmale ko suñu gox rawatina fi nga xam ne foofu na wutee xam-xam di CM bu bu géewul nga xam ne foofu la lépp dooree parce que ñun ñoo nekk deuxième génération bi nga xamante ni ñoo fa am bacaloria après ñoom Talla ñoom Tiendo et autres donc bi loolu amee ñu ne léegi bay sa woyu tànk donc mënoo dem ci éducation te commencé woo ci nga xamante ni moo la jàngal jox la xam-xam ku mel ni tonton Bassirou Diop moom moom bi ma nekkee classe euh, initiation moom ma jàngal nu ñu bindee A xamu woon sax nu ñu bindee A donc pour vous diir ba léegi nii dañuy suivre su ma ko woowee danaan ah yéen diw mi ngi fële diw mi ngi fële mais daf may jaaxal sax tellement une suite depuis depuis on va dire 28 ans bàyyiwuñu donc kooku ku mel noonu da nga koy remercier te dem amee ci moom noonu la amee ci nga xamante ni ñoom lan topp ci ñoom di dem di dem di dem ba am bac dem université ñibbi ci Sénégal loolu nag mu nekk ci ku nekk ci ñun ñii. bi ñu jógee ci jàng mi ñu bari am seen ay lijaasa ñi nekk ay docteur ñi nekk ay enseignant ñi nekk ay pharmacien ñi ñi ingénieur les bu mettre en disposition de notre communauté donc je vais déjà remercier tout le monde pour votre présence en vous disant que ça nous fait grandement honneur de vous recevoir ici vous êtes des dignes fils du pays surtout de la zone de Géoul. donc on peut que vous remercier on remercie aussi nos invités qui nous viennent d'ailleurs à savoir nos professeurs qui nous ont eu depuis le collège et au niveau du lycée ils sont partis euh, à Géoul même, mais ils sont revenus aujourd'hui et nous sommes fiers de les revoir. Ça fait des années, il y a des gens, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'on ne s'est pas revus. Et aujourd'hui, on a eu à faire un yendo au niveau du centre culturel et tout s'est bien passé avec des dégustations, machallah, préparées. Et tout ça, c'est grâce à l'appui de ces personnes-là qui sont ici. Quand on a démarré, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que nous, ce qu'on veut faire, c'est grand. Mais quand même, on va essayer de commencer par un. Parce que chaque fois qu'on fasse quelque chose, il faut commencer par un petit démarrage. Et ceci, c'est juste une goutte d'eau dans la mer. C'est pourquoi, quand on a eu à commencer et il nous fallait des fonds, on, s'est dit, on va faire des cotisations qui démarrent de 1000 francs à 1 million. Et chacun d'entre nous, ou la plupart, le fait de façon mensuelle. Et on gère ça avec un tableau où tout le monde a accès, accès à ce tableau-là qui gère les entrées et les sorties de fonds. Et chaque sortie de fonds est validée. Donc c'est une gestion qui est très rigoureuse. Moi, en tant que coordonnatrice de la promo que vous voyez ici, je n'ose pas faire des choses sans l'aval de presque, on va dire, de la majorité. C'est ça qu'on se dit. Même pour une dépense de 1000 francs, il faut que ce soit validé. Et c'est ça qui nous a permis de venir aujourd'hui de cette journée. Et cette journée, on l'a eu aussi grâce à l'appui euh, de nos aînés, que ce soit des aînés supérieurs, que ce soit le parrain, que ce soit d'autres personnes et aussi même de Géoul Diaspora qui nous a apporté un fonds. Ce sont nos frères qui sont à l'extérieur du Sénégal et qui font de très belles choses, qu'on remercie énormément. Nous remercions aussi M. Mansour Ndiaye, nous remercions aussi Tala Silagay, nous remercions Georgia, nous remercions ma famille, tout le monde, tout le monde. Je ne vais pas citer tout le monde, mais ils nous ont quand même appuyés, ils ne nous ont pas laissés tout seuls. Et quand vous voyez tout ce que vous voyez là, c'est parce qu'il y a un soutien, il y a quelque chose de commun, qui nous, de commune qui nous a réunis ici et qui fait euh, qu'on puisse, réaliser quelque chose. Maintenant, l'idée que vous voyez ici, comme je l'ai dit, c'est une goutte dans la mer. Ce qu'on veut maintenant, c'est que d'autres générations s'en inspirent. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas récompensés aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas été informés comme il le fallait. Mais il fallait qu'on avance et il fallait qu'on initie quelque chose de telle sorte que ça puisse propulser en avant et que chacun, ou bien chaque génération qui est venue ici au niveau du CEM de, de ou bien du, du, lycée, ou bien même au niveau des classes primaires, puisse faire cette même chose à l'endroit de leurs professeurs et de leurs enseignants. Parce que nous, on ne peut pas les remercier. Et pourquoi on ne peut pas les remercier quand vous quittez le Sénégal et que vous allez ailleurs, vous n'allez pas avoir toute cette, euh, euh, comment dire, cette énergie que les enseignants dépensent pour pouvoir vous donner le savoir. On va dire un savoir de qualité. Quand vous voyez dans d'autres pays, ils ne vous, reconnaissent même pas. Ils ne savent même pas qui vous êtes, ou d'où vous venez. Et ces enseignants et ces professeurs que vous voyez là, c'est les gens qui nous surveillaient comme quelqu'un qui faisait partie de leur famille. Et nous, on est grandement reconnaissants envers cela. Donc je ne vais pas trop m'attarder. Je vais laisser continuer le programme en vous disant que, par exemple, euh, ceci n'est qu'un démarrage. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est aller aujourd'hui à l'endroit de nos professeurs, mais également dans l'avenir, aller au niveau, en profondeur, au niveau des CM, puis du lycée, et de la façon de la plus générale au niveau de la communauté, que ce soit à Guéoul ou ailleurs. Merci beaucoup. Quelqu'un qu'on aime bien et une valeur sûre de l'éducation, en tout cas de tout son vivant. En tout cas, quand il a été en service, il n'y avait pas plus honorable que lui, en tant que donc professeur, mais aussi en tant que principal. Mesdames et messieurs, c'est mon ami à moi, c'est mon frère, c'est bien sûr monsieur Halimouch. Avant de commencer, permettez-moi de m'adresser à mes anciens élèves. Good night, everybody. are you? And you? What's the date today? Who can write the date on the board? Class, do you like banana? Yes, Do you like, but do you like pineapple? No, I don't like pineapple. No, I don't like pineapple. okay. Monsieur le maire de la commune de Géoul, parrain de la cérémonie, Madame Awali Fall, marraine de la cérémonie, Monsieur le maire de la commune de Bandagne Wolof, Messieurs et Madame les conseillers municipaux, Messieurs les notables et chers invités, Messieurs et Madame les professeurs, Messieurs et Madame les anciens élèves, Monsieur le proviseur, en l'absence, en l'absence des doyens Mamadou Kamara et Mohamedou Lamine empêchés l'honneur me revient de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Je parlerai au nom de mes pères, au nom de mes collègues, professeurs et encadreurs. Donc c'est avec un réel plaisir, une grande fierté et un honneur renouvelé que je prends la parole pour vous exprimer notre gratitude infinie et notre reconnaissance en limite. Car ce n'est pas tous les jours que des anciens élèves organisent une cérémonie pareille pour célébrer leurs anciens professeurs et encadreurs. Au-delà du caractère festif et des cadeaux distribués, l'occasion de retrouvailles que vous nous offrez nous voit droit au cœur et nous rajeunit d'une vingtaine d'années. En effet, en revoyant vos visages radieux, cela nous ramène au début des années 2000 où vous n'étiez que de petits bouts d'hommes et de femmes, perturbateurs pour certains, <laughs> provocateurs et espiègles pour d'autres, mais toujours travailleurs et conscients la réussite est au bout de l'effort et que seul le travail peut vous ouvrir de nouvelles frontières et peut vous mener vers d'autres horizons. Le résultat est là aujourd'hui, Partant, Vous êtes peut-être fiers de votre parcours scolaire, social et professionnel, vous et vos parents. Mais nous, professeurs et encadreurs, qui avons contribué un tant soit peu à votre éducation, nous le sommes davantage. Figurez-vous que la plus grande fierté et le baromètre d'un enseignant est de voir ses élèves s'insérer avec succès dans la vie sociale et professionnelle. Chers élèves, cette célébration n'était pas une obligation pour vous, mais vous en avez fait un sacerdoce et vous avez sacrifié votre temps. Vous vous êtes sacrifié physiquement et financièrement par devoir de gratitude et de reconnaissance pour nous faire plaisir. Vous ne pouvez pas mesurer combien nous sommes comblés par votre geste. À notre tour, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une longue vie accompagnée d'une santé de fer et d'une réussite sociale et professionnelle au-delà de vos espérances je vous remercie pour votre attention. parole de nag euh, daf ma bête. parce que vraiment je ne m'y attendais pas mais dafa am lu tubaab wax ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément Dita, je ma wax moi, mooy ginnaaw bu ma assistance bi maa ngi jël nuyoo bi le premier magistrat le premier magistrat de la ville Mouy Abdourahmane Diop bu ma ko tegee ci loxoom defe naa nuyu naa ñëpp sargal naa ñëpp ak ay invités ak ñi fi teew ñëpp may nuyu en passant également sama Jarbat, la marraine Awadi Fall ñu ngi koy sargal di sargal aussi promotion bi yëpp kontaan naa trop ci taxaw fii jël kàddu ndax euh, ba muy commencé ba 2014 maa nekk président association des parents d'élèves bi ma surveillant général au lycée Bayi bàyyi bàyyiwuma sax dama jébbali affaire bi kenen ndax ma meuna exercer samay nouvelle fonction mais nak mbir mi li li ci ëpp solo sama collègue suma xarit Xaali Mbodj wax na parce que cité ne pionnier yi ñi nga xamné ñoo ñoo ñoo doxoon mbir mi mais nag dafa am loo xam ne il faut ñu taxaw ci création CM bi li ko indi mooy vacances dafa jot parce que lii di tax ma di ko wax dafay baax parce que ñi nga xam ne ay xale lañu ñu fàttali leen histoire bi dafa baax trop parce que am na ñoo xam ne ils se sont donnés corps et âme am na ñoo xamante ni nii comme ni mu ko waxee am na ci ñoo xam ne nii xaw yàlla

say mbokk politiciens ñoo nu ko nar a xañ keroog laa ko ma a gis mu tàngoor jël téléphone am woo fa Batoor Diop je me rappelle des mots mu ni ko Batoor ngumba suñu amul seem da nga xam ne maa la joxoon département Kébémer maa ngi fàttaliku wax boobu mu daal di jóg daal sol mbubbom woo chauffeur am taal otom dem Dakar vers la yoni domam Modou gay du ma ko fàtte sama volontaire fekk ma teud mu ni ma paa bi neena ministre bi neena ñu ñu wut fuñu fuñu fuñu fuñu fu ñu fu ñu fu ñu ay ay professeur loolu mënuñu ko ñaka wax kon dañ koy gëreum diko sante diko ñaanal yàlla mu ñëw luyeenu ay boutique ñun avec ce qu'on gagné ñi ko daan cotiser kenn ku ci nek 5000 francs pour fay location bi keroog bañu démé ba location bi ki amna ko fi tuddu légui le maire Khalifa Dia mais vais dire en passant que le premier problème gaz Lamine Gaye l'ex président du président communauté rurale jël xaalisam le gaz may wax dama ko jël gaz y avait le le comment dirais le principal Cham, lii dafa baax le nettali ko am aussi waruñu ko est mais amna leneen lo xamne limay wax dafa am témoin ñuy laye Cissé maa mom kérok ño and ànd bi ñu amee problème électrification CM bi ma dox and ak mom kérok bi ñu ñëwee dañu ñaata ngeen di soxla ci courant bi ñu defee devis bi muy trois mu jël téléphone am woote ñu indil nu matériel bi mu ñun mu lu ci dess ñu ni ko dess na dess na ki nu mu tuddati dess na ciment plâtre fekk ñuy défar kërëm googu mu ni dem leen jox leen ben saaku plâtre bañu démé ba war ko électrifier mo dem sol dàllam dem taxaw ba ba électrifier CEM bi lolou da fay nek ñu ko waré def lycée bu déglul ma ngi ñew ñu bind lettre bi may Samb moko bind signé ko en mon nom président parent ñu jox loko ko yow mu dem jox ko Abdou Salam Sall ñu dik aussi en passant nañu gërëm l'inspecteur Yoro saw Jeune ci un grand rôle bi ñu amee ay problème xaalis am na ñaar ñoo xam ne fokk ma cité leen fii ci ngumba la ñu dëkk bëgguñu leen dinaa cité Seydi Boy te loolu bu ma koy wax dama ci am témoin Fatou Maxa Fall laay jël comme témoin keroog ci guddi man moom ak ñeneen ñoo ànd jëkk a dem ci El Hadj Ndiaye mii mu yëkkati xaalis bu bu takku jox ñu ñu jóge fa dem ci Seydi Aline Boy mu jël xaalis bu takku jox ñu kon loolu dafay nekk loo xam ne dañ ko war a fàttali xale yi ba ñu xam ne problème bi bañ koy engagé problème mu ñëpp la woon ñëpp ko téye woon ñëpp ko defoon seen problème ba yàlla defal nu ci ndam ndam leneen li ñu ci am nag mooy suñuy doom jànge ci tey ñu yàlla defal leen sutura ñu dellu si xalaataat nu man keroog bi ma Babacar ba woowee dama tudd yàlla sant yàlla ma ni kuy kuy jëmbat garab dangaa bëgg noppalu ci ñoom rëcc wuñu lu ñu leen doon encadré rëcc wuñu lu ñu leen doon xeexale honoré nañ seen ay résultat lii mooy deuxième kii bi nga xamante ni ñu ngi nuy onoore yàlla na leen yàlla defal jàmm li ngeen di li ngeen bëgg ci lii yàlla nag ko yàlla fulal ba ngeen am ci lu rob seen njort parce que nag lu rëy la lii ngeen def gis nga lii c'est symbolique acte bii dafa nekk loo xam ne nii suñu dundoon ñun ba yàlla jëliñu fi te lii amul xëy na dana am na leen nu mu demee mais siggal ngeen nu siggal ngeen nu ñu ngi leen di ñaanal yàlla comme nag comme nag léegi dafa guddi te li ñu war a wax lépp am ñu nu jiitu am na lu bëri luñ ci tobbi ñi ngi yamale waxtaan bi fii tey gërëm ñëpp di sant ñëpp te di leen ñaanal yàlla. Monsieur le maire de ville, monsieur Abdourahmane Diop, monsieur Hassan Saïk, monsieur le maire, euh, le pareil en même temps, monsieur Abdourahmane Diop. Madame la marraine, une sœur et une amie, Madame Awolifal, chers professeurs, honorables invités, chers camarades de promo, faire une leçon inaugurale m'a été demandé, mais ne vous attendez pas à ce que je suive à la lettre la tradition des leçons inaugurales avec le langage ésotérique aux accents savants avec un discours devant servir aux étudiants et aux assistants. Le cadre le justifie amplement et le contexte sera en phase si en pareil moment je vous embarque dans un voyage dans le temps et dans une rétrospective de plus de 23 ans en arrière, histoire de vous renvoyer à l'élémentaire où tout a commencé. En prenant quelques passages du poème d'Alexandre au tiré du fameux livre Sidi et Ramon, intitulé Ce qu'ambitionne un match". disait ceci Dans la salle de classe, pendant que les enfants travaillaient les yeux fixés sur leur livres, le maître les regardait et se disait tout bas Enfant, vous êtes dans une famille d'adoption. Je en vous vos parents dont vous êtes la joie. J'aime en vous votre patrie dont vous êtes l'espoir. Rassemblés aujourd'hui autour de moi, vous vous disperserez bientôt. Mais si je pouvais laisser dans vos esprits des idées vraies et des sentiments généreux, ce sera ma plus douce récompense. Enfant, votre maître vous aime et vous aimera toujours. Que vous demande-t-il en échange Qu'un peu d'attention à ses leçons, un peu de respect pour sa parole, et si vous avez du cœur, un peu d'affection pour sa personne. Chers parents et notables, chers invités et camarades, chers professeurs et encadreurs, nous nous sommes dispersés et nous nous sommes retrouvés. Une nouvelle fois, nos chemins se croisent après un vécu de huit années successives, soit 2920 jours de vie commune. Et certainement, cher Tal, cher Aïdara et cher Fal, professeur de maths, nous donnerons les chiffres exacts après conversion en heures, minutes et secondes. Pour dire combien une bonne partie de notre vie a été sous votre responsabilité, sous votre houlette, mais une bonne part de notre vie durant laquelle vous avez entre quatre murs, en tout dévouement et en toute volonté, fait montre d'amour, de passion en votre travail, mais surtout d'envie de nous voir gravir les échelons et surtout affronter cette vie aussi difficile qu'elle pourrait être. Nous vous garantissons à ce jour que vos objectifs ont été atteints, vos souhaits exaucés et l'amour à votre rencontre et ressenti tout au long de notre justice et au-delà. L'attention, l'affection et le respect ont été de et nous vous assurons qu'ils demeureront et demeureront pour l'éternité. Chers professeurs et encadreurs, nous aussi nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Dijé il la où a une volonté, et un chemin. C'est en effet un chemin sur lequel nous avons précédé, dans cette localité, des générations et des générations d'hommes que l'on appelle justement hommes de bien, qui, à force de suivre, ils ont transformé ce chemin en, euh, en transition dont ils nous ont proposé l'adoption. Certains de ces hommes sont encore vivants, la décence m'oblige à taire leur nom. D'autres nombreux nous ont quittés. Je peux citer parmi eux Chermanfo Aydara et sa famille, Serenia Lunba et sa famille, Cher Sadi Diop et sa famille, Cher Madiok Walo et sa famille, et il y en a tant d'autres. Ils ont fait que Géoul soit une terre bénite. Ils nous ont appris non pas par de simples paroles, mais par leurs actes, de leur vie, ce qui est le bien. Grâce à eux, nous avons parfaitement, nous savons parfaitement ce qui est bien en famille, ce qui est bien dans la rue, à l'université, dans les ateliers et les bureaux, dans la pensée et dans l'action. Nous savons que le travailleur doit travailler, que l'éducateur doit éduquer, que l'étudiant doit étudier chers parents invités, je vous parle d'un vécu. Je vous parle d'une génération chanceuse. Je vous parle d'une localité bénite. Et je vous parle de soldats dévoués et rompus à la tâche. Le professeur, en effet, est un soldat de la raison. Et sa vertu à ne pas sortir du chemin de la science, ça nous le savons. Mais disait Steve Jobs, la meilleure manière de bien faire son travail, et d'aimer ce que l'on fait. Et vous, vous en êtes la preuve vivante. On part cette symbiose entre ce les Zadis se mettre dans Alexandre Vessio et ce qu'ambitionnent les élèves font que Géoul, ce territoire sacré, soit le carrefour de ces retrouvailles historiques. La nature nous avait gâtés, chers camarades, et la chance nous avait souri. Car dans un endroit, ou plutôt un environnement pas trop adéquat, vous avez réussi, vous, professeurs, à creuser, à fouiller, à bêcher, pour citer gens de La Fontaine, dans le labo de ses enfants, pour ne laisser nulle place où l'ignorance ou la déviance ne passe et ne repasse. En fait, de nous inculquer votre savoir et mieux un idéal de vie. Aucun acte ne sera de trop et aucun geste ne sera suffisant pour vous remercier. Vous magnifier ainsi que votre travail, mais vous témoignez notre gratitude et celle de nos parents, tout en vous garantissant que vos efforts n'ont pas été vains. Monsieur Diallo, Monsieur Sall, entre autres professeurs d'histoire, j'ai eu l'habitude de nous donner des exemples sur le capitalisme en disant que voilà, on vivra toujours et continuellement dans le néocolonialisme, en prenant l'exemple sur la consommation, en citant le café brésilien, le lait français, le lait thaïlandais. Mais aujourd'hui, on peut nous, promouvoir ou vous citer aisément les jus à Foot de notre promotionneur Awa, l'usine qui fabrique de de Et pourquoi pas les croissants beurrés de EDKEL avec lesquels on a pris nos petits aujourd'hui. Et cela pour montrer combien vos cours ont été compris et assimilés, et surtout mis en pratique dans notre vie de tous les jours. Cher professeur, pour en terminer là, vous nous avez exhortés à cultiver l'honnêteté et le courage au travail. Que chacun en poste où il est, du maire au planton, du chef d'entreprise aux manœuvres considère comme reposant sur nos seules épaules le destin de notre localité en particulier et de notre nation en général. Vous nous avez appris à débusquer, à écarter sans complaisance aux besoins, à punir sans faiblesse ce qui nuise notre devenir et celui de notre localité. L'occasion euh, est aussi saisie pour adresser nos vieux remerciements à l'encontre de nos parents, de nos soldats et surtout de nos pionniers qui, à travers eux, Géoul a vu ses premières salles de classe. Je n'en saurais en dire plus que ce qui a été déjà dit. Si ce n'est, merci au nom de toute la localité. Merci au nom de notre promo. Merci du fond de nos cœurs. Ces soldats militants, parmi lesquels M. Darumbeng ainsi que M. Halimbouj ont cité des noms, leur acte, comme on l'a dit tout à l'heure, a été tellement vénéré qu'on a décidé de les rendre hommage et surtout nos disparus à titre posthume. La suite de l'histoire sera tout simplement adressée à nos jeunes frères, à qui je ferai une invite, à qui j'inviterai à s'approprier de ce moment et à s'assurer de le perdurer. Vous avez fait Géoul, vous êtes donc chanceux. Si j'ai quelque chose à vous dire en tant qu'ancien, c'est de se rappeler deux mots. Jeunesse, debout. Debout pour l'éducation, le travail et l'éthique, avant qu'il ne soit trop tard. Debout en vous rappelant que chaque choix, chaque action a sa propre finalité. Demandez-vous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, d'indisciplinés, d'insouciants. Demandez c'est que c'est une société vouée à l'échec, à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Et vous aurez l'amour de vos études et de votre patrie en bandoulière et la volonté de réussir comme sacerdoce. Il n'est pas trop tard pour agir. À toutes et à tous, nos parents à qui incombait le devoir de nous inscrire, aux héros qui se sont battus pour que la localité soit dotée de ces établissements scolaires, à nos chers et vaillants professeurs et encadreurs qui ont eu à dispenser le savoir de la manière la plus belle, la plus limpide, la plus explicite possible. Nous vous disons merci. Merci pour le service rendu. Merci au nom de notre localité. Merci au nom de notre parrain, Monsieur Mbouch, Khali, Monsieur Sissé Laye et Monsieur Diop. Nous vous disons thank you. Monsieur Niran, Shukran Laka, et à toutes et à tous, jërë Jeff. Euh, bonjour, monsieur le maire de Géoul, monsieur va euh, je salue toutes les autorités qui sont là. Je salue le parrain et la marraine de cette journée. Mais dire quelques mots par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est tout simplement vous dire djerejef pour ce que vous avez fait. C'est un acte hautement symbolique, mais qui sera marqué dans les annales de l'histoire de Géoul, parce que vous êtes la première promotion, je crois, qui a eu à initier une telle initiative. Et pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Donc, Djerejev Yarnalen Yalla Faye yalla na leen yàlla lafal chat fi ngeen bëgg yalla fa yalla ci ak donc jërëjëf yal na leen yalla fay merci beaucoup. merci merci. c'est une experte. Mam Awali, c'est une spécialiste de la médecine chinoise. Et bien sûr, dans le continent, elle est l'ambassadrice, bien sûr, de cette médecine un peu partout en Afrique. Mme Awali, mesdames et messieurs, en 2006, elle obtient son baccalauréat S2 avec la mention bien au lycée Malik de 2006-2007, PCM1, Faculté de médecine, Université de Cheikh Anta de Dakar. 2007-2008, ah oui, langue chinoise, Université donc de Begoua, Jilin City. 2008, 2013, bachelor en médecine, en médecine chinoise, Université de médecine chinoise de Pékin. 2013, 2016, master en intégration clinique de la médecine chinoise, de la médecine chinoise et moderne. 2019, 2021, PhD en médecine chinoise, option oncologie, Université de médecine chinoise de Nanjing, évidemment donc toujours en Chine. Expérience professionnelle. Madame, le 1er mars, du 1er mars 2011 au 30 juin 2011, elle a été bien sûr à l'observation clinique à l'hôpital Dongdongmen, hôpital affilié à l'Université de médecine chinoise de Pékin. 15 juillet 2012 au 30 mai 2013, stage clinique à l'hôpital Dongfang, hôpital affilié à l'Université de médecine chinoise de Pékin. 1er mars 2014, 30 mai 2016, stage clinique à l'hôpital provincial de médecine chinoise de Tianzhou. 21 novembre 2015 au 30 novembre 2015, séminaire en massage pédiatrique en médecine chinoise, Université de médecine chinoise de Hunan, Shangchang. Mesdames et messieurs, toujours euh, la dame. Oui, centre d'intérêt aime le sport, le karaté, le basketball et tellement de sports qui se font en Chine. Taïwan, yoga, King Hong, jumping, etc. Tout ça, c'est en Chine. Alors, mesdames et messieurs, et les membres du conseil du deuxième comité de la Société de rhumatologie, Fédération mondiale de médecine. Et ça, c'était bien sûr de novembre 2015 à novembre 2019. Avril 2014 à avril 2016, présidente de l'Association des étudiants sénégalais en Chine. Juillet 2021, juillet 2023, vice présidente de l'Association des anciens étudiants et stagiaires donc sénégalais en Chine. Ah oui, tenez-vous bien, bien sûr, madame. Elle parle en bon sénégalaise le Wolof. Elle parle. Euh, assalamu alaikum d'abord. Euh, monsieur le maire de Géoul, monsieur le maire de Bandeng, euh, monsieur le maire de Ngouran, monsieur le proviseur du lycée de Géoul, mesdames, messieurs les professeurs et encadreurs, chers notables en vos rangs, qualités et titres, chers camarades de la promo et chers c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour prononcer ces mots de gratitude à l'endroit de mes pères qui ont eu la générosité de me désigner comme marraine de cette cérémonie. Sans faire preuve d'humilité, seconde, je dois reconnaître que dans la panoplie de trajectoires dessinées par nos vaillants professeurs, il y a une kyrielle de personnes aussi, sinon plus méritantes que moi, pour recevoir un tel honneur. Qu'elle trouve ici toute mon admiration pour l'éclat de notre école qu'elle ne cessent de rehausser, de rehausser par leurs actions responsables et salutaires. Je me considère comme une modeste serviteur de notre communauté éducative dont les tentacules s'étendent en des liaisons insoupçonnés. À l'entente de mon propos, je voudrais emboîter le pas aux organisateurs pour rendre hommage à ceux-là sans qui nous ne ferions pas la fierté de nos parents, encore moins celle de notre terroir. Pour ce faire, je vais convoquer, comme l'a fait tout à l'heure le MC, Monsieur Aldo, le propos juste d'Albert Camus à l'endroit de son instituteur, M. Germain, quelques jours après la réception de son prix Nobel de littérature. Et je cite Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et est toujours pour moi. Et pour vous assurer que vos efforts de travail, votre travail et le cœur de générosité que vous y mettez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Ce passage de sa lettre, à lui seul, traduit la gratitude aussi longue que l'éternité que nous avons à leur égard. Pilier essentiel de toute société, l'enseignant, par la sacralité de sa fonction, incarne le présent et le futur de la nation, dont il doit participer activement à leur réalisation par la formation de ses filles et fils. Il peut donc, à juste titre, être considéré comme le jardinier de l'avenir national ou encore le gardien de l'essentiel, sans quoi le déclin civilisationnel est inévitable. Pour ces raisons donc, parmi tant d'autres, on ne l'aura jamais assez célébré. En effet, du président de la République au simple commis de l'administration, il n'y a littéralement aucun maillon de l'élite qui échappe à ses mains. Sacré aura donc tracé nombre de destins. Son tableau noir aura instruit nombre d'ardoises et cahiers et sa détermination aura façonné nombre de cerveaux pour le bonheur des leurs. Chers camarades, notre communauté éducative, dans cet élan de gratitude à l'égard de ses bienfaiteurs, que sont nos enseignants et encadreurs, doit multiplier ce genre d'initiatives. Mieux, elle doit perpétuer le legs en faisant de l'accompagnement de nos cadets un sacerdoce loin d'être une perte de temps et de ressources. Ce retour d'ascenseur à la communauté qui nous a façonnés est une dette morale que rien ne saura éponger. Connu sous le label du Give Back to the Community au pays de l'Oncle Sam, ce bénévolat a su façonner des leaderships au point de porter à la magistrature suprême de ce pays pour la première fois un Africain américain. Yes, we can doit être un slogan que notre engagement envers notre communauté éducative permettra de remplir. Notre terroir, terre au passé glorieux, lieu de hauts faits et espace où s'est concentrée les pulsations culturelles et culturelles du Sénégal dans le temps, doit être appelé à jouer les premiers rôles de la vie de notre pays. Il est une lapalissade que, que de reconnaître les atouts ne lui manquent pas au vu des sommités qu'il a su générer. Vous me permettrez d'en citer quelques-unes qui ont été arrachées à notre affection. Feu, le professeur Souleyman Fall, deuxième agrégé de mathématiques du Sénégal. Feu, Doudou ancien directeur de l'ONCAT. Feu, Ousmane Gom, député maire, ancien député maire de Thiès. Et récemment, Feu Lamine Doyfal ancien directeur général de la SOTIBA. Sans oublier aussi feu Dr Bass, qui a été l'un des premiers médecins neurologues du Sénégal. Pour honorer leur mémoire et maintenir l'incandescence du flambeau d'excellence qu'ils ont allumé, nous nous devons d'encadrer cette semence que constituent nos cadets pour que continue de se lever le soleil de Géoul sur les fronts de la connaissance de ces jeunes dont les fruits, à coup tiendront la promesse des fleurs. Merci à nos enseignants, merci à nos encadreurs. Vive notre communauté éducative, vive notre terroir. Je vous remercie. Euh, c'est wa mawlana muhammad al mabuus rahmatan lil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku que dire devant ces beaux discours sinon apporter une modeste contribution comme mes prédécesseurs mesdames messieurs monsieur le maire Assansek, mesdames messieurs les adjoints au maire Mesdames, Messieurs, chers collègues conseils municipaux, Mesdames, Messieurs, chers professeurs, Mesdames, Messieurs, membres du corps des encadreurs, notabilité de Géoul, Chers autorités religieuses, j'allais dû commencer par là, par mon ami shérif Chaye Aydara, honorable invité, Madame, Messieurs, membres de Promo Camus, je voudrais, à l'entame de mes propos, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et prier sur son bien-aimé, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à nos illustres hôtes et prier pour que la paix d'Allah soit sur nous tous. Mesdames, Messieurs, population guéouloise, en ce jour historique, je suis honoré par le choix que mes frères et sœurs ont porté sur ma modeste personne comme parrain de cet événement plein d'enseignements. En effet, cette cérémonie qui nous réunit cet après-midi revêt une importance capitale. Dans le, dans le processus de reconnaissance des contributions que ces vaillants acteurs de l'éducation ont consenties dans le cursus scolaire des enfants de Géoul et environ c'est la raison pour laquelle j'ai tenu, par la grâce d'Allah, à être personnellement présent aux côtés des membres de Promo Camou afin de magnifier cette belle initiative qui va sans nul doute susciter une émulation positive au sein du corps, du corps des enseignants et des élèves de notre chère commune Géoul. Soyez-en vivement remerciés. Mesdames, Messieurs, honorables invités, comment ne pas soutenir une initiative allant dans le sens d'apporter une contribution significative dans la, à la matérialisation de notre vision de développement Il me plaît ici de rappeler notre vision pour la commune de Géoul. Je cite Faire de la commune de Géoul un hub éducatif axé sur les métiers porteur de croissance économique à l'horizon 2035. C'est dans cette perspective qu'une belle, belle part est affectée au secteur de l'éducation dans nos projets et programmes. Même s'il nous faut reconnaître que nous n'avons pas encore les moyens de notre ambition. Mais je n'ai nul doute que notre engagement personnel et celui de tous les acteurs de l'éducation nous permettront d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Ainsi, j'ai saisi cette belle opportunité qui m'est offerte pour tendre la main solennellement à toutes les Guéouloises et à tous les Guéoulois, ainsi qu'à tous les partenaires de l'éducation à nous accompagner dans la mise en œuvre de notre ambitieuse vision, comme je ne cesse de le rappeler notre magistère s'inscrit dans une approche participative et inclusive afin de positionner Géoul dans le cercle des communes émergentes. Je ne saurais terminer mon allocution sans rendre un vibrant hommage aux membres de Promotion Camou, mes frères et sœurs. Je vous remercie indéfiniment. Pour leur sollicitude et leur clairvoyance dans la mise en œuvre de cette œuvre hautement salutaire, ce qui m'ont précédé l'ont dit et de Aux récipiendaires, donc les professeurs, le corps d'encadrement et tout ce qui tournait autour du CEM et du lycée de Géoul, j'adresse mes chaleureuses félicitations. Les encourage à persévérer dans, le culte de l'excellence et à suivre les pas de ma sœur, mon ami, Awali Fall, que je ne cesserai de remercier une grande dame au parcours exceptionnel, machallah Puisse Allah, dans sa grande clémence, nous apporter à nous tous son assistance éternelle pour la réussite de toutes nos missions. Je vous remercie de votre aimable attention. Est-ce que <laughs> euh, euh, Monsieur le maire, monsieur le maire de toutes les localités présentes, euh, présents, monsieur euh, les chefs religieux et coutumiers, chers invités, en vos rangs, grades. Je vous salue. Chers collègues, je ne saurais dire le plaisir que j'ai éprouvé euh, à revoir mes collègues aujourd'hui. Mais avant d'en venir là, euh, je voulais tout simplement signaler que j'avais préparé un discours. À la dernière minute, à la dernière minute, j'ai décidé de ne pas faire usage de ce discours. Pour une raison très simple. Parce qu'un discours, c'est quelque chose de structuré, de rationnel. Et ce soir, j'ai envie de parler avec le cœur. Je vais laisser donc libre cours à mes émotions parce que, comme l'a dit Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. L'étroitesse de la raison aurait pu limiter justement euh, l'ampleur des émotions que je suis en train d'éprouver euh, cet après-midi. Permettez-moi d'abord, à l'entente de mes propos, de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant, qui m'a lié à deux reprises à cette ville de Géoul. La première euh, euh, liaison a été d'avoir fait de moi la toute première personne à avoir enseigné la philosophie dans cette localité. Chose qui n'était pas évidente du tout, parce que tout le monde sait que la philosophie est une discipline délicate, dans une localité fortement religieuse, on a parfois des appréhensions, mais je n'en ai pas trop souffert parce que justement, euh, euh, il y a en amont juste, euh, des élèves qui étaient non seulement bien formés, avant d'arriver en terminale, mais également suffisamment éduqué et bien éduqué pour euh, être réceptif à, euh, à notre discours. La deuxième raison pour laquelle donc je rends grâce à Dieu, c'est d'avoir fait de moi celle qui a formé cette promotion, la promotion Camou. Ce n'était pas évident, parce que je ne suis restée que deux ans à Géoul deux années où vraiment j'ai eu quand même à avoir des élèves d'exception. En guise de rappel, notre toute première année, alors que je venais de sortir fraîchement euh, de l'école normale, euh, quand on a organisé le bac, non seulement le lycée de Géoul s'était classé deuxième au niveau national cette année-là, on a eu 100% de réussite au bac, mais le meilleur élève de la région de Louga était mon élève et c'est le lieu de rappeler, je crois que cette personne avait eu une forte note en philosophie et d'ailleurs c'est bien que scientifique, euh, vraiment euh, c'est toute une fierté pour nous. ah collègues merci merci beaucoup ba tax ñu bëgg bala ben gox diko amati geewul am ko ba paré moy on est conscient parce que li ñuy wax rek geewul ak surtout son hôpital dañu def ñun lu bari bari peut-être Cheikh Bolon dépend en témoigner sànq mi ngi koy wax fi ñu hôpital mais gis nañ lal bi ak lepp lu mu am ak possibilité yi mëna may jigen bi nek ci digënté su bëggé teud teud su bëggé tok tok ñukoy mëna manipuler sans pour autant ñu naan ko jugal wëlbatikul wengalul on s'est dit que nañu def suñu yitte pour géewul mën ci am mais aussi c'est l'occasion ñu sant ci comme ni ñu ko Ibrahim Sek aussi peut-être ci ñu ko xamul c'est un fils de Géoul hein, mais il daf ko xiir ci taxawu ñi nga xam ni seen xel matul di sang di solal di leen butte bu Tabaski jotee mu boole lu mu am ak lu mu amul dajale ay xaram ray, defar def ci ay barget di wër Dakar li ko war ko jox ça aussi, c'est une fierté pour euh, vraiment tout Géoulois. Maintenant, c'est l'occasion de permettre à Ababa Ley, comme Ninko Sank, le médecin de, notre promo, lim donc monsieur Ley buñ hein. voilà merci beaucoup merci euh, au, au, nom du promo voilà donc euh, c'est voilà merci beaucoup au nom du promo ça a un très important pour euh, la, santé parce que on va plus s'intéresser au manuel, mais c'est électrique. On va brancher ça. Maintenant, on s'intéresse juste à la commande qui va nous permettre, selon la position qu'on veut avoir, juste. Voilà, c'est juste Voilà, c'est juste débranché. Mais on l'avait déjà testé. Je pense qu'avec euh, les sages-femmes ou bien ceux qui l'ont utilisé, ils sauront que c'est une lit d'urgence qu'on utilise aux allées d'urgence. Quand on veut mettre le patient demi-assise parce qu'il a un problème de respiration, on soulève un peu. On ne va pas mettre des oreillers ou pas. Donc c'est une lit vraiment euh, aux normes qui est vraiment les nouvelles euh, recommandations qu'on est au niveau des urgences. Donc vraiment, encore une fois, on félicite le promo d'avoir pensé à la santé parce que moi qui vous parle, je suis à Kédougou depuis presque trois ans et je dirige un centre de santé. Quand on dirige un centre de santé, c'est vraiment la santé publique et nous, on prévient avant, la, avant, de traiter, parce que c'est à le Sénégal. Mais vraiment, ce tact là nous le magnifions. Parce que moi, j'aime la, santé. C'est ça qui m'a fait virer, euh, quitter les mathématiques. Au début, j'étais très bien en mathématiques, mais avec les SVT et tout ça, je suis viré vers la médecine en 2008 après, au, à l'université chez Ante plus précisément à la FM Post. Donc au nom du FM Post, euh, au nom du promo, Madame Diaye, ça c'est on dit électrique. On va juste brancher, voilà, euh, la commande pour soulever le dos ou bien soulever la tête, faire baisser le lit ou bien le soulever. Tout ça, c'est avec la commande. On n'en a plus besoin de dire, mais juste avec la commande. Voilà, donc euh, vraiment, c'est les dernières générations que nous avons à Kédougou. Merci beaucoup. Voilà, merci. De Géoul. Il me sera un peu difficile de prononcer des mots durant cette euh, auguste cérémonie, mais je vais aller vite pour vous dire que les élèves de Géoul que vous êtes, bien que vous avez été, vous avez assuré et vous nous rassurez. Nous vous en félicitons parce que cette cérémonie que vous venez d'organiser, tout le monde sait que dans notre culture, il n'est pas fréquent de voir des gens rendre hommage à d'autres personnes de leur vivant. Et un vieux m'avait dit un jour, ça tu la de vraiment, vous nous honorer. Et nous en sommes très ravis. Géoul est dans notre cœur. Géoul est en nous. J'ai été affecté ici un certain 12 octobre 2000. À peine j'avais 24 ans, très jeune enseignant. J'ai quitté officiellement le 26 juin 2005. Mais depuis 2005 à nos jours, Géoul est connecté à moi. Et vous le savez. Donc, euh, reconnaissez de par mes mots que je peux traduire toute la gratitude de l'ensemble des collègues avec qui on a été. Et permettez-moi de finir pour remercier hautement Doyen Momodou Kamara, qui est un père pour nous, un oncle, une conscience directrice qui ne cesse de nous former parce que moi, je ne reste pas une semaine sans l'appeler pour échanger avec lui du point de vue pédagogique, Malgré les 23 ans d'expérience que j'ai encore acquises, j'apprends toujours. Et dans la vie, on apprend toujours. Donc apprenez, euh, euh, continuez d'apprendre, restez utile, rendez service à votre communauté. C'est ça un patriote, c'est ça qu'on attend du Sénégal, c'est ça qu'on attend comme un citoyen. Que ben bi dama njëkk ba may soog a liggéey dama dajeeg doomu ki nga xamni ni mësa duma école primaire bi ñu def CP mu doon sama enseignant ma ne ko damaa soxla papa mu defee lu nekk la ñu dem ba fofu mat jox ko ay cadeau niko ya tax luma mën ci école ma mën ko ndax CPE dañoo dugg première séance rek mu ni ku ne na bind turam ñun ñëpp kenn mënul bind turam ndax see yi leen jógee mu duma ñëpp ma ni ndekete bu dul woon waajooju kon tey jii du ma mën a bind kon tey buñ ma joxee cadeau bi dem siy bég waaye dama leen wax lenn man dama démissionné jàngale non dama Je IAAC monsieur mais ñoo bokk principal muy proviseur je suis man Je inspecteur ni ko le parce que suis le devoir vous ma yëkkati ci devoir yi je doon je ci yéen Je suis ko je du ko suis jox élève suis billahi wa kitaab kam su sama deuxième devoir deuxième semestre à là,

Merci. Merci, madame. Euh, madame, vous... DJ, là c'est évidemment un tableau pour euh, le CM de Géoul, mais aussi évidemment une enveloppe de 200 000, on avait signifié, n'est-ce pas toujours pour venir en aide au CM de Géoul. Et je rappelle, mesdames et messieurs, que... Voilà, venez donc d'une pierre deux coups. Yes Le tableau a été peint par lui et c'est évidemment donc euh, un membre aussi donc de la promo, Abdullah hein. C'est ah oui. M. Diallo qui l'a Monsieur Diallo, regardez tout simplement. Merci, mesdames et messieurs, à un, à un des leurs. Cher Miss Baoudimba, mesdames et messieurs, vraiment, pour son immunité, sa modestie, mais aussi pour sa contribution généreuse. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, bien sûr, d'être honoré de soi.